chers euh, auditeurs et téléspectateurs des programmes euh, du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Forum. Les enjeux de l'insertion socio-économique des migrants au Niger est notre thème de ce soir. Le 18 décembre de chaque année est en effet la journée internationale des migrants. Cette date a été choisie par euh, l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour attirer l'attention sur une euh, convention adoptée par euh, son Assemblée générale, c'était le 18 décembre. 1990. Dans le cadre de la célébration de cette journée, plusieurs activités sont organisées chaque année pour rappeler les droits des migrants et plaider en faveur de leur respect. Le thème retenu pour l'édition 2021 de cette journée internationale des migrants est Mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine d'où le thème de ce forum, les enjeux de l'insertion socio-économique des migrants au Niger. Quels sont les principaux droits des migrants Quelle est la situation des migrants au Niger Quels sont les défis et les enjeux socio-économiques de l'insertion des migrants au Niger pour répondre à toutes ces questions et à d'autres encore, nous avons le plaisir euh, de recevoir euh, dans ce studio M. Malcolm Sakor Miller, il est un migrant venu du Libéria. Il est à Niamey il y a six mois. Nous avons une autre migrante. Elle s'appelle Mademoiselle Salmbalm Aitom. Elle est, elle, venue de la République centrafricaine. Notre troisième invité, c'est Monsieur Issa Soli Cheibou, chargé de programme au niveau de l'ONG Global Action Forum une ONG qui œuvre en faveur de la promotion des droits des migrants. Et enfin, nous avons comme invité le père Mauro Armanino, missionnaire, anthropologue. Il est responsable de l'Observatoire Migrants en détresse. Il est donc très actif également dans le domaine de la promotion des droits des migrants au Niger. À la modération de ce forum, je suis Michel Dj Selon le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations OIM intitulé État de la migration dans le monde paru en décembre 2021, le nombre de migrants internationaux est passé de 84 millions dans le monde en 1970 à 281 millions en 2020, soit de 2,3% en 1970 à 3,6% pendant l'année 2020. Autrement, 96,4% des habitants de la planète résident dans les pays où ils sont nés et 3,6% sont des migrants, soit 281 millions de personnes sur une population mondiale d'environ 7,5 milliards d'habitants. Qu'est-ce qui pousse des citoyens à quitter leur pays pour aller résider au niveau d'autres États, régis par d'autres législations. Avant de répondre à cette question, nous avons deux migrants qui participent à ce forum. Parlez-nous de votre aventure de migrant et dites-nous si vous avez eu des difficultés à votre arrivée, Monsieur Malcolm Mill, venu du Libéria. Ok, euh, merci beaucoup d'abord pour l'invitation dans votre studio Kalango. Merci d'être venu. Ok, merci. Donc, moi, je suis un Libérien. Euh, j'ai quitté mon pays. D'abord, mon pays, ah, c'est un pays qui a passé dans la crise hein, de la guerre civile euh, pendant 14 ans. Mhm. Et vous voyez, un enfant qui est né avant la guerre, peut-être un an, qui est resté pendant des années, rien ne fait. Donc, voilà ce qui nous a poussé de quitter notre pays pour venir. Mais la guerre est terminée au Libéria, on le sait. Oui, bien vrai que la guerre est terminée au Libéria. Mais aujourd'hui, au Libéria, la guerre est finie. Mais c'est la conséquence maintenant que nous, on vit au pays. C'est quoi ces conséquences Oui, si on parle des conséquences maintenant aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Beaucoup de sociétés ont été détruites. Beaucoup, beaucoup. Mhm. Vous pensez que c'est seulement au Libéria qu'il n'y a pas de boulot Oui, bon, si on peut dire il y a du boulot, mais il n'y a pas du boulot pour, on peut dire, la population. Ceux il n'y a pas suffisamment de boulot. Suffisamment du, boulot pour la population. Donc, mhm. euh, ça fait que même si tu es capable de faire quelque chose, ben, tu vas chercher jusqu'à. Ça peut pas pour, pour, avoir ça. Donc, euh, nous, on a décidé, mhm. à cause de cette euh, situation, au moins de sortir un peu à l'aventure et venir chercher un peu comment mieux vivre. Venir chercher, est-ce le Niger, votre pays de transit au tout début ou de destination. Quand vous dites qu'il n'y a pas de boulot au niveau du Libéria, est-ce que vous avez voulu venir chercher du boulot au Niger non, c'était pour continuer Non, vraiment pas pour venir chercher du boulot au, Niger. Mm. C'était pour continuer et aller vers l'Europe mm-hmm. ou les autres, où nous tous, on a l'attraction d'aller avant. Mm-hmm. Bon, comme on est venu au Niger pour une première fois, on avait essayé d'aller. Mm-hmm. Ça n'a pas marché on est retourné. Ça n'a pas marché, on vous a arrêté. on nous a arrêté et fait retourner. Mhm. Autrefois, on a été à, comment à Algérie, mhm. mais à cause des, problèmes de, migration encore, on nous a refoulés encore. Vous faites partie des personnes qui sont fréquemment refoulées à partir notamment de l'Algérie euh, et qui tentent euh, de continuer à aller euh, en Europe. Donc bien sûr, bon, c'était auparavant, on a tenté plusieurs fois d'aller et comme on voit que ça ne va pas, mhm. donc euh, on ne peut pas toujours continuer de tenter, de tenter d'aller. Mhm. Ok, donc euh, cette fois-ci maintenant, nous avons décidé au moins de rester où nous, nous, nous, sommes, parce que nous aussi, nous les migrants, nous avons aussi le talent pour travailler. Mhm. Chacun de nous Donc finalement, vous avez, après avoir été refoulé à partir euh, de l'Algérie, c'est bien cela Vous avez décidé de rester au Niger, bien sûr, pays qui vous a accueilli après le refoulement de l'Algérie. Il faut rappeler que des centaines euh, de migrants, justement, sont refoulés à partir euh, de l'Algérie. Merci, on vous a bien compris. Et votre décision finale, c'est de rester au Niger pour pouvoir travailler, c'est ça Bien sûr. Vous avez une profession, c'est ça Oui, oui. Hum, c'est bon, Moi, je suis un informaticien. Informaticien Oui, j'ai hum. deux, diplômes, un à Application Management et en Engineering. Mhm. Donc, avec mes deux diplômes-là, je pense qu'au moins je pouvais trouver du boulot au Niger mhm. pour pouvoir faciliter ma insertion dans les Merci, nous avons compris votre euh, situation. nous allons poser également <laughs> des questions à notre. Merci, c'est vous qui êtes à remercier. À notre deuxième euh, invité, qui est également migrante, elle est venue euh, de la République centrafricaine, plus précisément de Bangui. C'est bien cela. Mm. Voilà, vous, vous êtes mademoiselle Salmbam Aitom. Qu'est-ce qui vous a fait quitter la Centrafrique, mademoiselle Salmbam Aitom Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tout cas, avant de commencer, je tiens à remercier d'abord le gouvernement du Niger. Je me sens en parfaite sécurité, quoi. C'est ça, et je tiens à mhm. remercier le gouvernement. Donc, euh, ce qui m'a poussé à quitter mon pays, c'est à cause de la guerre. Qui la guerre en Centrafrique. Oui, oui. On dit beaucoup d'hommes politiques en Centrafrique disent également, tout comme au Libéria, que maintenant il y a la stabilité quand même en Centrafrique. C'est pas totalement, hein, c'est pas mhm. totalement, mais dans certains arrêts pays, en province, il y a, toujours il y a des menaces qui continuent encore. Mais vous, vous n'avez pas quitté la province Vous dites que vous avez quitté Bangui Bon, comme je ne suis pas dans le, dans, en province, je suis dans le capital de Bangui. C'est ça que j'ai quitté le pays pour venir mhm. chercher là où je peux avoir la sécurité. quoi. Mhm. Donc, euh, moi, mon parcours, je voulais euh, continuer en Europe. En Europe Mais oui, oui, mhm. c'est ça mon rêve. Votre rêve, c'est quand vous dites votre rêve, ça veut dire que vous avez un métier à exercer en Europe quand vous serez là-bas Bon, je vais chercher comme, tout, comme tous les autres. Vous avez une profession avant de quitter Oui, oui, oui. C'est quoi cette profession Moi, j'ai mon bac et puis je fais la gestion des ressources humaines. Ah bon, d'accord. Oui. Gestion ressources humaines. Oui, oui. Mhm. Donc, c'est ça que je suis venue à Niamey. Je voulais continuer, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Quel est le pays que vous avez souhaité visiter en quittant Bangui et une fois arrivé en Europe Le pays de destination, c'est lequel Bon, je préfère aller, euh, si c'est pas en Italie ou bien. En Italie, vous pensez qu'ils ont besoin de, de gestionnaires en ressources humaines euh, à l'heure actuelle dans ces pays, euh, c'est ça Non, je pense pas. Bon, je, comme je ne pensez pas, ça veut dire que même si c'est un autre métier ou une autre profession, vous êtes prête à, faire. ça. Oui, oui, pour mhm. quoi. Même si je trouve à Niamey Mais vous n'avez pas pu aller en Italie on vous a arrêté, c'est ça Oui, je n'avais pas, pas pu aller. On vous a arrêté où Comment vous avez été refoulé c'était un refoulement ou c'était quoi pour votre cas Oui, pour mon, mon, cas, je voulais aller, mais euh, on, m'a volé quoi. On, m'a vous a volé Oui, au niveau de... Mhm. C'est à Agadez là-bas. avec mon téléphone, tout, j'ai perdu tout. Donc c'est ça qui m'a freiné de rester à Niamey. Mhm. Donc vous, ça veut dire qu'on ne vous a pas euh, refoulé. Non, non, non. Euh, c'est à partir de là compte tenu du fait que vous avez une situation financière mhm, mhm. très faible, vous avez décidé de rester à Niamey. Et que faites-vous actuellement Présentement, je ne je fais rien. Je voulais, je, voulais avoir un stage d'abord mhm. pour, pour me permettre euh, un stage en quoi En gestion des ressources humaines, bien sûr. En gestion des ressources humaines. Mais en attendant, vous dites euh, que vous êtes dépouillé, vous n'avez rien. Euh, c'est comment par rapport à, votre hébergement, restauration, transport et tout ça Qui vous vient en aide Bon. C'est-à-dire de façon formelle, pas si y a une personne particulière, mais si est-ce qu'il y a une institution ou une structure qui vous accompagne dans tout ce que vous faites C'est l'église là, c'est l'église. Vous avez une église Oui, comme je suis chrétienne. Ah bon, d'accord. Comme je suis chrétienne, donc c'est avec l'aide de l'église que je, suis, que je mhm. avec. Mhm. donc, vous avez un appui d'une église, une confession religieuse qui vous aide pendant ce temps. Mais est-ce que vous avez des camarades ou des collègues euh, qui sont dans la même situation et qui ont été également volés, comme vous dites apparemment, on, on était deux Mhm. Moi, avec une soeur, bon, après, on s'est séparés, je ne sais pas là où elle est. Elle, vous ne savez pas euh, si elle est aidée ou pas. Mhm. Merci beaucoup. Notre euh, invité euh, qui est là, qui est Monsieur Issa et Soli Cheibou, il est chargé de programme au niveau d'une ONG qu'on appelle Global Action Forum, une ONG qui œuvre pour la promotion des droits des migrants. De façon succincte, présentez-nous votre ONG, Monsieur Issa. Ok. Euh, bonjour, Studio Kangou. Mhm. Comme vous venez de le dire, je suis le chargé du programme de l'ONG Global Action Forum en abrégé ONG GAF. Mhm. C'est une ONG qui intervient dans le domaine de la migration, particulièrement dans la protection des droits des migrants. C'est une ONG de droit nigérien Oui, c'est une ONG de droit nigérien, mais qui est en relation avec des structures euh, dans d'autres pays comme le Nigéria, le Burkina. Mhm. Et nous travaillons particulièrement sur les questions de migration depuis bientôt des ans. Mhm. Mais c'est quoi le migrant, Monsieur Issa, vous qui êtes euh, dans le domaine et qui travaillez avec ces personnes Quand on dit un migrant, qu'est-ce que ça veut dire Un migrant, donc il faut entendre par migrant, c'est toute personne qui est en déplacement mhm. et ce déplacement-là implique chez lui un changement de résidence. Mhm. Père euh, Mauro Armanino, vous travaillez avec les migrants depuis plusieurs années. Vous êtes euh, responsable de l'Observatoire Migrants en détresse. Parlez-nous également de votre euh, observatoire Migrants en détresse. Que faites-vous concrètement pour soutenir les migrants Je suis moi-même un immigré depuis une dizaine d'années. Mhm. Mais bien avant, j'ai été en Côte d'Ivoire, au Libéria pendant la guerre, mhm. en Argentine. Et donc, euh, je connais un peu l'Afrique de l'Ouest et j'ai vu les changements qui euh, ont eu l'occasion d'arriver dans cette zone. Par rapport aux migrations, évidemment, je veux dire. Et l'Observatoire Migrants en détresse, c'est un collectif qui a tenté de mettre ensemble des acteurs mhm. qui travaillent avec les migrants. Et donc, je disais que nous avons eu, depuis le début, deux grands défis. Mhm. Le premier, ça a été celui de la Libye, mhm. parce que c'était en 2011 que je suis arrivé ici. Et Kadhafi avait perdu le pouvoir en 2011, il avait été tué en 2011. Donc, il y a eu justement... donc, il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui ont été obligées de fuir, d'autres expulsées, ce qui a accéléré un peu le processus de, notre intervention. Mhm. Et comme mhm. je disais, ça a été le tour du Mali par la suite, où nous avons reçu des dizaines et des dizaines de, migrants mhm. qui étaient là et qui ont dû fuir pour la réalité. Donc ces deux événements ont accéléré un peu la mise en place de ce service qui existe depuis dix ans et qui est focalisé justement et en particulier sur les migrants de retour. Mais père euh, Manino, quand les migrants arrivent, qu'est-ce qu'ils vous disent Vous les rencontrez où Vous êtes à Niamey, mais est-ce que euh, vous êtes souvent, vous avez des personnes qui les orientent vers vous Comment ça se passe Il y a un phénomène étrange de radio-trottoir. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un passe-parole, même en Algérie, mon nom est connu, même en Libye, mon nom est connu. Mhm. C'est quoi ce nom Père Maro, c'est oui. ça Oui, bien sûr. Et, donc, c'est l'Église catholique. Vous organisez d'ailleurs beaucoup de conférences. Euh, Cela. J'en sais quelque mhm. chose euh, sur la promotion des droits des migrants. Exactement. Mhm. Mais eh, en plus, ils ont eu la perception qu'il y a un lieu de refuge pour être écouté, orienté, respecté et aussi, dans une certaine mesure, aidé à retrouver le chemin pour se mettre debout mhm. comme personne. Je pense que les deux amis qui ont parlé tout à l'heure ont souligné un aspect qui est fondamental mhm. pour interpréter ce que nous vivons aujourd'hui dans la migration. Et ce mot-là, c'est le mot violence. Aujourd'hui, on peut dire c'est un potentiel migrant. <laughs> Comme on dirait, c'est un potentiel euh, terroriste. Mhm. Quand moi je suis arrivé ici il y a dix ans. Ça veut dire euh, là, on défigure le migrant. Il n'a plus sa dignité. Et c'est un des points que j'ai Alors que, il faut le préciser, la Déclaration universelle des droits de l'homme précise que toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique partout où elle se trouve, c'est-à-dire tous les êtres humains eh, ont une égalité à leur naissance et partout où ils sont. Mais au-delà de la mhm. Déclaration juridique, ce que je veux souligner, c'est le regard mhm. et les mots que nous avons utilisés chemin faisant. Quand je suis arrivé ici au Niger il y a 10 ans, c'était en 2011, personne ne parlait de migrants, on parlait d'exodants. Mhm. C'est un beau nom, exode. C'est sortir d'eux. Et puis, on les appelait aussi les aventuriers. Et c'est une réalité que nous avons eue toujours en Afrique occidentale. Mhm. Et puis, petit à petit, on commençait à les appeler clandestins. Mhm. C'est un nom qui n'a jamais existé ici. Qui n'a jamais, qui a jamais été Clandestins dans cette terre. Mm-hmm. Et puis on est devenu des irréguliers, des illégaux, et maintenant on est pratiquement des criminels. Bon, en fait, ce que les États demandent, ce que les États exigent, il faut le rappeler, c'est la régularité, c'est-à-dire qu'il y a des voies à suivre. Par exemple, si je vais aller en Italie, je suis obligé de présenter mon passeport et avoir le visa qui me permet d'aller en Italie. Quand quelqu'un n'a pas de visa et qu'il essaye de trimer pour euh, passer par la mer et arriver en Italie, euh, cela, est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est justement euh, de la clandestinité, Père Mauro et ce que tu dis est, est une partie de la vérité, dans le sens que il faudrait essayer d'avoir un visa pour aller en Europe maintenant. Mhm. C'est un parcours du combattant. Mhm. Parce que les entraves, du point de vue juridique, du point de vue financier, mhm. sont tellement fortes. Et maintenant, ajoutons bien du point aussi du point de vue médical, que c'est pratiquement insurmontable. Et bien de ce point de vue, je pense que l'Union africaine a toujours fait pour souligner chaque fois la possibilité de visa, la possibilité de voyager. Et j'ajoute aussi que le numéro 13 de la Déclaration des droits humains, il y a la liberté de quitter son pays. Bien sûr. Et ça, vous, allez compléter rapidement pour donner la parole. ok, si vous le permettez, j'aimerais un peu. Il parle, de la déclaration. De la, régularité. Il parle de la régularité d'abord de, mhm. la migration. Comme l'a si bien expliqué Paul Moron, mhm. eh, la migration, je dois préciser qu'elle est aussi une vieille que l'humanité. Depuis toujours que. L'histoire de l'humanité. Depuis toujours, depuis de toujours pour des raisons. Euh, diverses, mhm. les gens se sont déplacés. Et à un moment, ça n'attirait pas d'attention. Mhm. Mais ces dernières années, euh, compte tenu d'un certain nombre de choses, la migration a commencé à attirer l'attention particulièrement de l'Europe. Mhm. Parce qu'à un moment, l'Europe parle même d'une crise migratoire. Donc, pour parler de la question des régularités de la migration, c'est comme vous l'avez expliqué, un migrant est régulier euh, quand euh, il voyage dans le respect des conditions de son pays de départ, les pays de transit et les pays d'arrivée. Maintenant, euh, la question qui se pose, pourquoi les Africains tentent de voyager vers l'Europe sans qu'il y ait ces respects-là mhm. Pour mon rôle un peu effleuré, c'est que les portes de l'Europe, il ne faut pas oublier, sont fermées. Mhm. Donc chercher aujourd'hui à rentrer en Europe par une voie légale, est très difficile. très difficile. C'est ça, il a expliqué justement. Et, On demande le visa. Le visa, n'est pas donné à n'importe qui. Mhm. donc à Donc, aujourd'hui, il y a des pays européens qui prédéfinissent même par an le nombre de visas qu'ils doivent donner à un tel pays. Bon, on l'a dit, l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme mhm. dit que toute personne a la liberté de circuler et de s'installer mhm. dans les pays de son choix. Mm-hmm. je, cite, je cite la déclaration, c'est l'article 13 de, la Déclaration universelle des droits de, l'homme. Elle dit ceci, cette déclaration au niveau de son article 13, toute personne, d'abord c'est l'alinéa premier qui dit toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. L'alinéa 2 dit toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ok. Maintenant, maintenant, quand vous prenez la Déclaration universelle des, droits de, de, de l'homme, certes, c'est un texte qui n'est pas contraignant, mais il y a aussi beaucoup de textes internationaux qui viennent accompagner cette déclaration. Quand vous prenez euh, les pactes internationaux euh, relatifs aux droits euh, civiques et mm-hmm. politiques, les, les, mm-hmm. pactes internationaux relatifs mm-hmm. aux, droits sociaux et économiques donc ce sont des textes qui viennent affirmer tous ces droits-là qui sont reconnus à n'importe quelle personne. Mhm. Et il y a aussi la Convention internationale mhm. euh, pour la protection de tous les travailleurs migrants et les membres mhm. de leur famille. Qui date du 18 décembre 1990, qui est ratifiée par notre pays en 2009. La situation aujourd'hui au Niger est que le Niger, c'est un pays qui accueille beaucoup des immigrés. Et ces immigrés-là sont majoritairement des, des Africains, des pays qui sont membres de la CDAO et des pays qui ont connu des crises sécuritaires qui ont poussé beaucoup de leurs citoyens à venir dans notre pays. Maintenant, ces migrants euh, ne sont pas les seuls. Je vous ai parlé d'autres qui sont africains. Aujourd'hui, nous avons des, migrants, un du Libéria, l'autre de, Centrafrique. Mhm. Elles sont venues de loin. Mhm. Donc, il faut se poser la question euh, pourquoi elles sont au Niger d'abord du point de vue économique, le Niger n'est pas un pays qui attire beaucoup mhm. de migrants. Parce que euh, il faut comprendre que généralement les migrants choisissent leur destination en fonction des opportunités économiques mhm. qui s'offrent mhm. dans les pays. Du point de vue économique, le Niger est un pays en développement, donc n'offre pas beaucoup d'opportunités. voilà pourquoi les migrants qui viennent souvent de loin de l'Afrique centrale, ce sont des gens qui, au début, n'avaient pas le Niger comme pays de destination. Mhm. Ce sont des gens euh, qui devaient passer par le Niger et aller vers le nord, mais compte tenu des difficultés qu'ils ont rencontrées en cours de route, ils se trouvent dans l'obligation de rester au Niger, soit définitivement, ou bien pour un temps. Et, pendant ces, ces jours-là, ils ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin d'une insertion économique. Mhm. Et souvent, cette insertion économique, elle est très, très difficile. Mhm. Elle est très difficile à l'image des ressources du pays. Mhm. Elle est très difficile euh, à l'image des ressources du pays. Pourquoi Parce que même les nationaux, euh, si on regarde un pays, ce n'est pas tous les nationaux qui ont cette chance d'insertion économique. Maintenant, elle, est aussi difficile parce qu'ils sont migrants. Parce qu'au Niger, euh, il y a des textes euh, peut-être qu'on ne peut pas dire que, que vont à l'encontre des euh, instruments internationaux, mais qui, euh, qui, qui, font une certaine restriction par rapport à l'insertion économique vis-à-vis des migrants. Mmh. Quand vous prenez par exemple les codes du travail, quand vous prenez la loi relative à l'entrée et au séjour au Niger, ce sont des textes, ce sont des lois du Niger, mais qui sont, ce sont des lois du Niger et ces lois-là font une certaine restriction en ce qui concerne l'insertion économique aux migrants. Euh, par exemple, la, la, la, la, loi qui règle l'entrée et, et, le séjour au Niger dit que euh, normalement un migrant, avant de venir au Niger, doit avoir son contrat de travail. Et déjà, le code du travail dit que les travaux euh, qui sont réservés aux non-nationaux, ce sont des travaux pour lesquels les nationaux n'ont pas de compétences. Vous voyez qu'il y a une certaine restriction. Mm. Maintenant, malgré ça, on voit un peu qu'il y a des migrants qui, se débrouillent, qui s'en servent tant bien que mal. Mais cette insertion, c'est généralement dans euh, les secteurs informels. On et l'État protège donc les intérêts de ces nationaux. Ça, c'est est-ce que l'État ça c'est pas, seulement de ça c'est pas seulement l'État du Niger, mhm, c'est un, peu partout. il y a des pays où c'est plus dur, mhm. les, restrictions sont plus rigoureuses que dans notre pays. Mhm. Donc il faut Et qu'est-ce qu'il fallait faire euh, puisque là l'État a l'obligation quand même de défendre ses citoyens, de, leur donner du travail, de l'emploi et de leur euh, garantir euh, ou de contribuer à leur garantir une vie décente. Oh. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau à partir de ce que vous dites. On comprend bien. Nous avons une législation qui n'est pas favorable à cette euh, euh, insertion, on peut le dire, euh, de façon en tout cas très élevée des migrants. si vous, mais qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il fallait faire L'État se trouve entre les manteaux et l'enclume. Mhm. L'État est, signataire des textes internationaux qui prévoit des, droits. des droits aux migrants. Bien et en même temps, l'État du Niger adopter ou bien ses propres textes mhm. qui, dans certaines de leurs dispositions, ces textes-là ne vont pas très clairement avec ces instruments internationaux qu'il a signés. Donc je pense que euh, nos États ou bien l'État du Niger doit respecter ses engagements internationaux. C'est quoi ces engagements internationaux Les obligations de l'État du Niger Par exemple, dans le cadre de l'insertion économique, un État, quand vous acceptez qu'un étranger rentre dans votre pays, ou bien s'il rentre dans les conditions régulières, et le droit à un travail décent, c'est un droit euh, reconnu internationalement. L'Organisation internationale du travail, c'est un droit qu'elle reconnaît. Tout le monde a le droit d'accéder à un travail décent. Mmh. Mais ce que nous constatons euh, au Niger et même un peu partout en Afrique, c'est pas évident que ces migrants-là se trouvent dans, ces, dans ce droit-là. Mmh. Donc, je pense que nous devons continuer à lutter pour que ces des des des droits à droits soient euh, promis. Mhm. Et si vous voulez. le, droit au travail des migrants. Des, migrants, le mhm. droit socio-économique. Et le problème des migrants, les défis, ce n'est pas seulement au niveau économique. Mhm. Même au niveau social, il y a un sérieux de défis qui se posent euh, pour les migrants. Euh, beaucoup, de nos migrants, donc beaucoup des étrangers, des migrants qui se trouvent au Niger, du fait des différences de cultures. du fait des différences de, de culture, rencontrent beaucoup de problèmes au niveau social. Euh, je suis avec des migrants, peut-être ils peuvent témoigner. Mhm. Euh, même quand vous prenez euh, l'accès à logement, c'est un sérieux problème pour les migrants. Mhm. généralement, les migrants pour avoir une maison de location. C'est un problème et non Souvent, c'est des problèmes généraux ce pour les citoyens, mais qui deviennent plus compliqués, avec pour, ces personnes. pour ces personnes-là, du fait mhm. de leur statut particulier mhm. des, des, des, des, migrants. Mhm. Il y a aussi une certaine euh, réticence que les gens euh, adoptent adaptent vis-à-vis de ces migrants-là en ce qui concerne la collaboration avec, euh, avec eux. Donc, moi, je pense que et la situation des, migrants, comme vous l'avez demandé, c'est une situation, euh, la situation des migrants au Niger, c'est une situation qui est un peu plus uniforme au niveau africain, surtout dans la sous-région. Mhm. Mais les défis se posent en termes économiques, en mhm. termes sociaux. Merci, Monsieur Malcolm. Vous êtes venu du Libéria. Euh, quelle est votre expérience par rapport euh, aux différentes difficultés et aux problèmes euh, énumérés à travers euh, les deux acteurs qui défendent vos droits et que vous venez à l'instant d'écouter. Oui, bon, mais c'est encore bon, ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure mhm. et ce que Père Mavolo a dit tout à l'heure. Mhm. Bon, tout le monde a bien parlé. Mhm. Mais on a seulement que... Ils ont dit la vérité, Ils ont comme dit on dit. La vérité. Est-ce que tu as compris, non Ils ont dit la vérité. Mais, mais le problème, c'est quoi tout ce qu'ils ont dit là, là, tous des, comment dit, la vérité mhm. ne sont pas pratiqués mhm. Donc voilà maintenant aujourd'hui où il y a le problème. Mhm. Normalement, un Ça veut dire y a un problème d'insection oui, socio-économique. Socio-économie, oui. Par exemple, d'abord le travail. Je vais prendre exemple sur moi-même. Quand je suis arrivé au Niger après le refoulement, je me suis regardé, je dit, mais j'ai des droits et j'ai un boulot que je peux faire au mm. Niger mm. pour avoir me soutenir moi-même. Au lieu d'aller sur la route et demander aide aux gens. Mm-hmm. Et eh mais ben, j'ai essayé. J'ai écrit, j'ai fait mon CV et j'ai déposé partout, partout au Niger ici. Mais ça n'a pas marché. Depuis six mois. Depuis six mois. Mm-hmm. Bah, il a expliqué, nous avons des problèmes avec euh, certains pays, puisque même les nationaux n'ont souvent pas de l'emploi. Il y a cette difficulté, il y a beaucoup d'informaticiens, par exemple, aujourd'hui au Niger, qui chôment par rapport à tout cela. Oui, bien sûr. Donc, euh, comme moi aussi, j'ai regardé la situation. Mhm. J'ai dit, Je dis, bon, comme je ne peux pas avoir ça au bureau, il faut que je vais commencer à aller vers mes frères africains nigériens qui mhm. ont au moins des centres de maintenance. Mhm. Donc, je me suis approché à plus de quatre personnes jusque-là, Mais que faites-vous en attendant euh, Mon ami, euh, il faut patienter. Maintenant, ici, je ne peux pas prendre un autre étranger ici. D'abord, mhm. même, je n'ai pas de place. Et eh, monsieur, pardon, je vais tout juste rester pour passer le temps. La journée, si ça finit, et je carrément ils sont refusés. Et j'ai mhm. tous mes papiers en main pour lui prouver que mhm. ce que je lui dis, c'est la vérité. Merci beaucoup. Tout Mademoiselle Aitom, est-ce que vous avez les mêmes problèmes, mêmes difficultés que lui, Malcolm, il dit, les gens lui disent, bon, on ne peut pas prendre un étranger. encore que le problème est global, on l'a expliqué. Mais est-ce que vous avez eu ces mêmes difficultés Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi-même, aussi j'ai tenté, comme je viens de dire tout à l'heure, que moi, j'ai mes diplômes mhm. en gestion des ressources humaines. J'ai déposé ça à une entreprise, au Opeven, office pour des produits viveurs du Niger. Mhm. J'ai déposé ma demande de stage là-bas. Qui est un service de l'État ouais, Oui, j'ai déposé. Il m'avait dit de patienter. Mhm. Avant, ils m'ont sorti beaucoup de dossiers. Mhm. puisque j'ai déposé, j'ai patienté deux semaines, j'ai reparti là-bas pour demander est euh, qu'est-ce qu'ils vont me dire Ils, m'ont sorti des, dossiers comme ça. Ils mademoiselle, c'est pas toi ce qui a déposé. Voilà. Mhm. les, autres sont déposés depuis. Il faut... Et ils attendent, alors que vous, c'est une situation un peu difficile. Donc, les difficultés sont réelles, c'est ça, vous dites, c'est ça Oui, oui, c'est voilà. ça. Ben, Manino, il a expliqué, nous avons, euh, nous avons justement des difficultés parce que c'est un peu difficile quand même euh, d'embaucher quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et le fait que les migrants, quand ils circulent, ils vont dans des pays, même internationaux, parfois, les gens n'ont pas confiance. quelle perception il faut avoir de ces difficultés quand on voit l'autre qui vient de loin, qu'elle quitte, vous ne le trouvez pas, on a l'impression qu'on n'a pas possibilité de le retrouver. Cette personne qui vient et qui quitte, et c'est à cause de ça, ça fait partie aussi des raisons qui viennent encore compliquer les choses. Que faites-vous à votre niveau Quelle analyse par rapport à cette situation Évidemment, le problème est complexe et nous en sommes conscients. Et c'est la raison par laquelle, euh, comme service, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas résoudre le thème des migrants ou mhm. prendre en considération ce qu'ils vivent, isolés du contexte social, politique, économique dans lequel nous vivons. Mhm. Et, nous sommes conscients de ce que le Sahel et le Niger traversent. Mhm. Et on ne peut pas l'oublier. Et nous ne voulons pas l'oublier. Voilà pourquoi, comme service pastoral des migrants, depuis le début, nous avons aussi tenté de faire un double travail. Un travail d'accueil d'accompagnement, mais en même temps des conscientisations sociales et, j'oserais dire aussi, politiques, surtout avec les débats, et pour que nous puissions tenter de réfléchir sur cette étrange situation, parce que d'un côté, et je reviens à ce que je disais avant, mmh. nous ne pouvons pas l'oublier, que la première violence n'est pas celle eh, qu'on fait sur les migrants et de manière ponctuelle sur la route, ça, ce n'est qu'une conséquence. Il y a une grande violence qui est à l'origine. Et c'est une violence politique. On, peut dire fait tout le possible mhm. pour que les personnes soient en détresse. Mhm. Et après, on empêche que les personnes voyagent, mhm. parce que finalement, il ne faut pas l'oublier, et je pense que le monsieur est complètement d'accord, que la migration jusqu'à présent est la réponse la plus importante à la pauvreté. Et aux inégalités. Parce que les remises des migrants, ce sont ceux qui aident à rééquilibrer les économies dans beaucoup de pays. Hmm. Et ce n'est pas par hasard que le Mali, le Mali et bien d'autres pays. Donc, si je vous comprends, l'Occident doit améliorer sa politique migratoire. Si elle veut que les migrants restent chez eux, il faut créer des industries ou aider les États à développer. L'Occident doit arrêter mhm. d'exploiter le monde entier. Mhm pour accaparer ces ressources. Ces ressources, l'uranium par exemple. Et pas seulement. Les matières premières. Parce qu'on exploite aussi les personnes. Mhm. Moi, je viens d'un pays où qui fait les travaux les plus humbles dans les champs, ce sont nos immigrants ici qui travaillent pour un rien. Les travaux, on exige la force physique. Physique. Donc en réalité, le projet politique est clair. Monsieur Issa, il faut rappeler aussi que le statut de migrant est un statut qui est parfois synonyme d'extériorité et accroît la vulnérabilité des personnes concernées. On l'a dit, et ces personnes ne parlent pas les langues, tout ça. Dans ce contexte, quels sont les défis de l'insertion socio-économique des migrants au Niger, s'il faut toucher du doigt ce problème Ok. Euh, comme vous l'avez dit, les migrants, dès que vous vous déplacez, dans la plupart des cas, vous vous trouvez dans des situations de vulnérabilité. Mhm. Surtout pour ceux qui déplacent dans des situations qui ne sont pas tout à fait régulières. Mhm. Et ces personnes-là, non seulement en cours de l'aide de déplacement, elles rencontrent beaucoup de problèmes, mais quand elles décident de s'installer dans, un dans une localité, dans un pays comme le Niger, là aussi, il y a beaucoup de défis qui se posent. Le premier défi économique, mhm. c'est celui-là d'insertion. Je ai parlé tout à l'heure, euh, l'insertion économique pour les migrants, surtout les migrants qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation nigérienne, mm. est très difficile. Mm. vous l'avez dit, Pomoro l'avait répété, dans un premier temps, il y a un problème d'accès à l'emploi. Mm. Les entreprises si c'est dans les entreprises qui sont les entreprises nationales, les entreprises internationales. On a déjà parlé de ça, mais les enjeux, en réalité, est-ce que l'État du Niger a intérêt à créer les conditions pour faciliter les choses, puisque c'est oui, l'État du Niger, c'est même pas l'État du Niger a l'obligation mhm. de créer les conditions pour euh, une insertion économique mhm plus sûr pour les migrants parce que l'État du Niger est État signataire de beaucoup de, textes internationaux qui sont qui sont, qui sont qui sont qui qui, ces textes-là font la promotion de cette insertion. Mais quels sont les enjeux donc l'enjeu principal c'est que euh, en même temps que l'État doit protéger ces textes-là, l'État aussi doit protéger ses citoyens et ça met l'État euh, en face d'un dilemme. Mm. Voilà pourquoi je pense que la, euh, la situation économique des migrants, surtout les migrants irréguliers, est une situation qui interpelle et qui doit continuer à interpeller euh, tous les acteurs qui est dans la mhm. gestion de la, des questions migratoires. Merci beaucoup, Monsieur Malcolm, venu du Libéria. On va aller rapidement. Euh, peut-on parler d'obstacles ou d'opportunités pour avoir de l'emploi au Niger en tant que migrant bon, quand on regarde l'opportunité opportunités pour avoir des boulots au Niger ici, on va voir que c'est un peu difficile. C'est difficile. C'est difficile. Il y a plus d'obstacles que d'opportunités. Plus, plus d'obstacles que d'opportunités. Et quels sont vos souhaits ou attentes pour terminer par Maintenant, moi, mon souhait est que, bon, tout, après d'avoir tout discuté, mhm. que les choses euh, nécessaires doivent, doivent être faites. Mhm. Oui, ce qui est écrit doit être appliqué mhm. pour mieux faciliter. Ce qui est écrit, c'est-à-dire le respect de vos droits doit être en tant que migrant. doit être pratiqué. La journée du 18 décembre vous est d'ailleurs euh, dédiée, une journée célébrée partout, dans le monde, une journée internationale qui coïncide avec la fête de la République euh, au Niger, naturellement, il faut le préciser. Oui, oui. à votre niveau, quelles sont les attentes ou souhaits à l'endroit de l'État du Niger pour venir en aide aux migrants qui sont également des personnes euh, humaines et l'État du Niger accepte que la personne humaine est sacrée et elle a l'obligation de la respecter et de la protéger. Vous en faites partie en tant que migrant, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, mon souhait que ce que monsieur, le monsieur vient de dire tout à l'heure, que mhm. le gouvernement a obligation de créer des emplois pour nous. Mhm pour des migrants. En tout cas, j'aimerais que le gouvernement fasse cet effort de créer des emplois pour que on puisse avoir ce tel que nous, nous avons des diplômes, on peut avoir du boulot à faire au lieu de rester à rien faire. En tout cas, moi, mon souhait, c'est ça que il faut que le gouvernement tienne compte de ça, quoi, pour qu'on puisse avoir faire quelque chose au lieu de rester. Merci beaucoup. Père Mauro, vous qui avez l'expérience de l'Occident, les gens qui partent là-bas, qui ont le statut de migrants, souvent demandeurs d'asile, que font ces États pour les aider eh, à se prendre en charge, qu'ils ne dépendent pas de structures confessionnelles, comme le dit une église. Ça peut ne pas eh, répondre à la personne si bah, elle n'est pas de la même confession. ailleurs, bah, le contexte est différent parce qu'il mhm. que y a une structure économique différente et le niveau de vie est différent, mhm. mais euh, les conditions d'exploitation, comme je disais tantôt, existent. Ça veut dire, comme le dit le thème retenu, vous convenez que la mobilité humaine constituent des opportunités pour les États. C'est cela. Oui. Absolument. Merci beaucoup. On vous a compris. Un mot pour terminer. voilà, c'est par euh, rapport à la potentialité mhm. euh, liée aux Les opportunités de la mobilité humaine. C'est ça le, thème L'État du Niger mhm. s'est doté d'une politique nationale de la migration depuis septembre 2020. Mhm. Et cette politique-là a trois axes. Un des axes, c'est euh, exploiter les opportunités liées à la migration. Mhm. Donc les migrants ou les L'État du Niger a prévu cela. Oui, dans, les axes, dans les trois axes de la politique, il y a mhm. un axe qui dit c'est dédié à l'exploitation des potentialités mhm. liées à la migration. Donc, comme l'a évoqué Paul Moreau, quand vous prenez les immigrants qui viennent, généralement, ce sont des gens qui viennent avec des qualifications que nous, au niveau national, on peut exploiter. Quand vous faites un peu le tour aujourd'hui, vous allez voir dans certaines euh, domaine, dans certains secteurs d'activité, c'est uniquement les migrants que vous voyez. Donc, euh, par rapport à tous ces problèmes, les défis sont multiples, on l'a vu. Quelles peuvent être les solutions, Monsieur Issa, de euh, Global Action Forum Ok. Et les premiers défis en termes d'insertion économique, j'aimerais rappeler que généralement les migrants qui s'installent, ce sont des gens qui ont vécu beaucoup de problèmes, donc qui ont besoin de commencer des petites activités pour un peu retrouver l'espoir. Mhm. Donc, euh, dans ce cadre là je pense qu'on doit soutenir les migrants à avoir des petits travaux, mhm. des petites euh, activités économiques qui peuvent les, les permettre de retrouver l'espoir et qui peuvent leur permettre de s'insérer on doit soutenir, on doit, soutenir l'État ou les populations C'est tous les acteurs. Les, populations, c'est en termes d'accueil, mm-hmm. en termes de compréhension, l'État, c'est en termes de politique, et les partenaires. Mhm. qui doivent aussi avoir des, programmes qui doivent accompagner ces migrants-là. Comment faut-il matérialiser cela quand on parle de l'accès à l'emploi, puisqu'il n'y a aucune législation qui prévoit forcément, Pas forcément l'accès à l'emploi, même les petits, les, petits travails, les, euh, les petits commerces, mhm. les migrants peuvent les exercer et retrouver un peu l'espoir. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces migrants-là, du fait de ce qu'ils ont vécu avant leur installation, n'ont pas si c'est un petit commerce de fonds de démarrage. Donc il faut que les différents acteurs euh, soutiennent ces migrants-là pour exercer ces petits travaux, ces petits emplois qui peuvent leur permettre de, s'insérer économiquement. Mais toujours est-il dit que pour que cette insertion soit beaucoup plus bonne et plus effective, les migrants doivent, tout en restant, euh, tout en commençant leur petite activité, chercher à mettre à se conformer aux, réglementations, chercher à se mettre en, règle vis-à-vis de la loi, surtout en ce qui concerne les, séjours. Mhm. Voilà ce que je tiens à dire quoi par rapport à ça. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Et fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes euh, du studio Kalangu, nous sommes au thème de ce forum euh, qui a eu pour thème euh, les enjeux de l'insertion socio-économique des migrants au Niger. Ce forum du studio Kalangu est réalisé dans le cadre de la célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale des migrants dont le thème est Mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine. Nous avons compris que la migration est un droit. Les migrants ont également une dignité qu'il faut respecter. C'est du reste la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prévoit le droit à la migration et tous ces droits-là, les gens ont plaidé justement nos invités, ils ont plaidé à ce que ces différents droits soient respectés. Il y a le droit à l'emploi, mais il y a également d'autres droits que vous avez eu à entendre tout au long de ce forum. Nous avons eu comme invité deux migrants. Il s'agit de M. Malcolm Sakor Miller. Il est migrant venu du Libéria. Il est au Niger il y a six mois. Notre deuxième invité est mademoiselle Salmbalm Aitom. Elle est, elle, venue de la République centrafricaine. Notre troisième invité, c'est le père Mauro Armanino. Il est missionnaire, anthropologue, responsable de l'Observatoire Migrants en détresse. L'Observatoire Migrants en détresse qui soutient les migrants dans leurs difficultés donc. Et enfin, Issa Soli Cheibou, chargé de programme au niveau de l'ONG Global Action Forum. Merci d'avoir répondu à nos questions, chers invités. Nous avons aussi invité à ce forum la Direction générale de l'État civil des migrations et des réfugiés qui n'a malheureusement pas pu répondre présente à notre invitation. À la modération, c'était Michel Deji. À la technique, Mustafa Ayouba. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.